buntu ki nga président de la république monsieur Macky Sall. Euh, le président du conseil rural Oumar euh, par rapport ak mon ak conseil rural il fi nekk ci communauté rural bu Nabadji Civol euh, ci communauté le président de la est originaire son village originaire moy